forum du studio le forum du studio kalangu le forum du studio kalangu le forum du studio kalangu le forum du studio kalangu le forum du studio kalangu le forum du studio kalangu le forum du studio kalangu le forum du studio le forum du studio Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du studio Kalangu. Le thème de ce soir porte sur l'impact des inondations sur la rentrée scolaire. Ces dernières semaines, le Niger a été touché par de fortes précipitations ayant provoqué des inondations importantes avec pour conséquence d'énormes dégâts matériels et même des pertes en vies humaines. Beaucoup de maisons se sont effondrées, laissant ainsi plusieurs familles sans abri, ce qui oblige les autorités à recaser les sinistrés dans les établissements scolaires. Il faut aussi hmm. noter la perte de plusieurs salles de classe. Le secteur éducatif, déjà confronté à l'impact de la pandémie de la COVID-19, risque d'avoir des perturbations considérables pour la rentrée scolaire 2020-2021 prévue initialement le 1er octobre 2020 avant d'être reportée au 15 du même mois. Pour discuter autour de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir M. Oumarou Hassan, membre du syndicat national des enseignants du Niger SNEN. E Alhaja Yaye, Association nationale des parents d'élèves niami Les deux ministères en charge de l'éducation, donc le ministère de l'enseignement primaire et celui secondaire, le studio Kalangou leur a envoyé des correspondances, mais sans suite. Bienvenue à tous dans ce forum. Les inondations de cette année ont pratiquement touché toutes les régions du Niger, à quelques exceptions près, occasionnant du coup des milliers de sinistrés et de sans-abri. Et comme vous le savez, au Niger, il est de tradition que les salles de cours servent de site d'hébergement aux sans-abri. Monsieur Oumarou Hassan, vous êtes un membre du SNEN. E Est-ce que vous avez des chiffres concernant l'étendue des classes inondées ou occupées par des personnes victimes d'inondations à Niamey et dans d'autres régions du pays? Bonjour Kalangou, encore une fois, en tout cas, permettez-moi de remercier le studio Kalangou qui en tout cas eh, nous permet chaque fois de nous adresser et aux Nigériens en général et en particulier aux enseignants, mhm. particulièrement sur la situation de, l'école euh, au Niger. il faut se dire déjà que l'école, comme vous l'avez rappelé, est déjà meurtrie par euh, la situation de Covid qui a sérieusement impacté sur l'année scolaire 2019-2020. Et à cela, il faut, euh, au passage, et avant d'aller en tout cas à, votre question, mhm. et apporter, en tout cas au nom du syndicat national des enseignants du Niger, de tous les enseignants, tous les tout notre soutien, en tout cas, à ces sinistrés qui aujourd'hui vivent une situation eh, qu'on peut qualifier de dramatique. Parce que lorsque on n'a plus d'abri et que la pluie continue à tomber, ce n'est pas, pas facile à supporter. Maintenant, pour la situation des, des classes inondées et des établissements inondés, en tout cas, nous sommes eh, en train de faire la situation actuellement. Parce que quand nous avons, et le ministère avait fixé la, rentrée scolaire au 1er octobre, en tout cas à travers nos différentes structures, nous avons dit de faire la situation des, établissements qui sont inondés et occupés ou occupés par les, populations. Et aujourd'hui, au niveau de la commune 5 particulièrement, en tout cas, 80% des établissements aujourd'hui sont occupés par les populations qui ont perdu tout. Ils ont tout perdu. Ce qui fait que et ça peut également amener un grand nombre d'élèves qui, la rentrée en tout cas, eh, ne pourra pas être effectuée. Parce que pour qu'elle soit effective, cette rentrée, il faudra d'abord que ces classes-là soient disponibles. Certains établissements sont totalement sous l'eau. D'autres qui ne sont pas sous l'eau sont occupés par les, par les, eh, populations. Or, aujourd'hui, vu en tout cas eh, la situation même de l'eau actuellement au niveau du fleuve, moi je pense qu'il serait utopique d'estimer que et la rentrée puisse effectivement avoir lieu tel que l'a décidé le gouvernement. Heureusement, eh, ils ont vu en tout cas je ne sais quoi, ils ont pu reporter jusqu'au 15 octobre, mais d'ici là même, en tout cas nous au niveau du, du SNEN, e nous restons encore sceptiques quant à l'effectivité de la rentrée, vu en tout cas l'ampleur des sinistrés qu'il y a dans ces établissements-là. Surtout que jusqu'ici, c'est programmé, mais aucun dispositif concret de relogement de ces sinistrés-là n'est prévu. Ça veut dire que dans, dans, dans 22 jours, même si la rentrée est reportée au dans 22 jours, on doit faire la rentrée. Mais est-ce qu'en 22 jours, on peut reloger toutes ces populations On peut pomper l'eau qui se trouve dans ces établissements-là Parce qu'il faut, il faut se dire qu'aussi, un établissement où eh, les, gens ont logé, il faut d'abord désinfecter ça. Les établissements où l'eau est déjà, que l'eau a inondé, il faudra en tout cas prendre des alternatives pour faire ou des bâches pour accueillir les élèves ou des hangars. Est-ce qu'en 20 jours, tout cela est possible il y a aussi plusieurs classes aussi qui, sont donc effondrées. Effectivement, il y a, aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays, en tout cas, il y a beaucoup de classes qui sont effondrées, beaucoup de, classes en payotte qui ont été emportées par le vent. Là également, c'est des situations. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes en train de faire la situation actuellement à travers nos structures déconcentrées pour que nous ayons, nous aussi, des chiffres fiables, pas des chiffres erronés. Mhm. pour que lorsque le gouvernement va vouloir, en tout cas dans une semaine, nous opposer ces chiffres, nous allons nous dire non, voilà la réalité que nous, nous avons. Et par rapport à cette réalité, lorsque le gouvernement va nous appeler, s'il le fait bien sûr, parce que moi j'estime que la situation est assez grave pour que le gouvernement puisse unilatéralement décider de, faire cette rentrée-là. Cette rentrée, lorsque, même dans les conditions normales, elle doit se faire avec la concertation de tous les acteurs de l'école. Je veux dire par là les enseignants, les parents d'élèves, en tout cas tous ceux qui sont concernés par l'école. Monsieur El Haji vous êtes donc membre de l'Association nationale des parents d'élèves section Onyami. Quelles sont les conséquences immédiates et à moyen terme des inondations sur l'année académique 2020-2021 Merci Radio Kalangu pour euh, l'opportunité que vous nous donnez et venir euh, parler de la rentrée scolaire 2020-2021 par rapport à l'impact des inondations que tout le monde euh, c'est particulièrement, je peux parler de Niamey, euh, côté 5e arrondissement, parce que c'est là où je vis, avec euh, toutes ces conséquences que vous savez. Présentement, nous, nous sommes, en tant que parents d'élèves, euh, nous sommes très inquiets et nous savons très bien que beaucoup d'infrastructures scolaires sont hors d'usage je veux parler des classes. Vous avez des classes en semi-dur qui, se sont effondrées parce que tout simplement l'école a été envahie par les eaux. Je prends le cas de l'école La Mort des 1. Vous avez au moins trois classes qui sont effondrées et en plus de cela, les sinistrés qui sont autour de la mordée ont été relogés dans certaines classes qui ne sont pas encore effondrées et dans les autres établissements tels que le CS Lamordé et École Nangwari, pour ne citer que, celles qui sont à côté de moi, dont je connais. Et vous avez également l'école Pont Kennedy, qui est aussi occupée. Vous avez les quartiers Karaji, Bangabana, Kirkuse, Nyalga, qui sont presque à 50% effacés de la carte. Presque tout ce que vous avez comme maison en banco, en tout cas, sont ou effondrés ou endommagés, ses habitants sont logés dans des écoles présentement. C'est bien que la rentrée soit reportée au 15 octobre. Donc revenons donc à notre question. Quelles sont donc les conséquences immédiates que ces inondations peuvent euh, donc avoir sur l'année académique 2020-2021 Les conséquences, nous avons déjà, premièrement, le report qui a été fait sur le 15 mhm. pour le 15. Déjà, c'est une des conséquences. Au lieu de faire la rentrée le, premier, mhm. on est parti au 15 octobre. Deuxièmement, vous le savez très bien, après même le 15 octobre, il faudra que vite, vite, le gouvernement s'attelle, en tout cas, à remettre en état ces infrastructures scolaires-là qui sont hors d'usage. Je prends le cas des, les, les cas des classes qui ne sont pas là en tout cas qui sont effondrés. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que dans ce délai-là, on pourra en tout cas euh, penser à avoir ces classes-là pour que nos enfants puissent euh, suivre normalement les cours et désinfecter également les autres classes qui sont, qui sont déjà là, mhm. revoir la situation des latrines qui seront forcément hors d'usage, en tout cas beaucoup seront hors d'usage, pour que l'année puisse bien démarrer. C'est ça nos inquiétudes. Nous aimerions que nos enfants, en tout cas au 15 octobre, vraiment soient, partent à l'école et commencer les cours. Je reviens vers vous, Mourou Hassan. Vous êtes membre du SNEN. E Quelles sont les conséquences immédiates et à moyen terme des inondations sur l'année académique 2020-2021 hum, Donc, euh, merci. Et effectivement, les premiers impacts, en tout cas, les conséquences néfastes eh, de ces inondations. Et aujourd'hui, on, parle seulement de reloger les sinistrés. En fait, reloger les sinistrés, là, veut dire que reloger les sinistrés et leurs familles. Or, ce sont ces élèves-là qui constituent les familles de ces sinistrés-là. Moi, je pense que lorsqu'on va vouloir reloger les habitants sur le plateau, ça veut dire que leurs enfants vont les suivre. Et les classes dont on parle actuellement ne peuvent plus leur servir parce qu'il y a aussi un minimum de 5 km, on ne peut pas, c'est pas aux élèves d'aller chercher l'école, non, c'est à l'école d'aller vers les élèves. Donc c'est le premier problème, comment reloger les populations, mais aussi les élèves qui, sont avec eux. Il faut que l'État prenne des dispositions pour que les élèves autant soient relogés à côté de leurs parents avec des classes. Et ces classes-là, je ne sais pas, il va faire des hangars, il va faire des tentes. Et il faut se dire déjà, ici à Niamey, nous avons un problème sérieux de classe. Regardez les, élèves qu'il y a dans les classes actuellement, même l'année dernière. Cette année, on vient, on dit que 80% de ces infrastructures ou 100% de ces sont hors usage. Ça, c'est un problème sérieux. Je ne vois pas où on va reloger tous ces élèves. Est-ce que l'État a la capacité aujourd'hui de construire autant de tentes pour reloger tous ces élèves-là Parce qu'il faut aussi bien reloger les élèves, les parents, mais aussi les classes à côté. Ça, c'est un premier problème même si l'État a beau vouloir faire la rentrée le 15, moi je pense que prendre toutes ces dispositions-là, il serait très difficile. En tout cas, à mon avis, le site que j'ai vu, est-ce que ce site peut reloger tout le monde et prendre en charge les élèves qui les accompagnent et leurs enseignants, bien sûr Parce que parmi ces sinistrés-là, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a les enseignants parmi eux. Mhm. Il y a aussi des enseignants qui ont été inondés et qui sont aujourd'hui sinistrés. Est-ce que ces enseignants sont dans les conditions optimales pour aller faire cette rentrée-là ça, c'est un impact aussi avec lequel il faut compter. Et ces inondations-là, ce n'est pas seulement à Niamey, hein. c'est partout au Niger cette année. En tout cas, à l'intérieur du pays, c'est en tout cas les mêmes situations qu'il y a. C'est les mêmes populations qui sont aussi dans les établissements. Et ces établissements-là, en, en, les, populations hors de la ville, leurs enfants vont les suivre. Et là également, aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur du pays, il faut que l'État songe déjà à prévoir des classes, en tout cas et, euh, en paillotte, en tente, pour pouvoir faire ces. Est-ce que la rentrée peut se faire dans ces conditions-là Ça, c'est un impact sur lequel, et en tout cas avec lequel il faut beaucoup compter. Mm-hmm. Extrêmement difficile. Parce que tel que je suis en train de voir, les planifications que j'ai vues hier sur un débat, en tout cas les, les deux ministères en charge de l'éducation, notamment l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire, dans un débat, ils se disent prêts à avoir des tentes. Mais est-ce que ces tentes-là, est-ce que ces là sont suffisantes pour faire une rentrée à partir du 15 En tout cas, nous, au niveau du SNEN, en tout cas, nous nous posons cette question. Mhm. Parce que ces tentes-là, c'est nous enseignants, c'est nous qui allons rentrer dedans. On est déjà sinistrés, on vient, on nous met aussi dans des conditions de, travail assez difficiles, nos conditions de travail des enseignants qui sont assez, assez précaires déjà. Je crois que ça va être difficile pour l'enseignant sinistrés d'être encore dans une classe, en tout cas, qui ne répond pas à une norme, qui n'a ni table, ni table, ni, banc, et qu'on puisse avoir un résultat assez important. Mhm. Donc, en tout cas, ces inondations-là, comme je l'ai dit, viennent encore aggraver davantage la situation déjà très précaire de l'école nigérienne qui a subi de plomb fouet la Covid, qui a fait en sorte que, vous vous souvenez, l'année dernière, en tout cas, nous avons dénoncé ça. Ça a été une année, en tout cas, maquillée, mhm une année colmatée pour que juste on puisse dire que l'année est validée. Donc moi je pense que le ministère, les ministères en charge de l'éducation doivent revenir, ne pas vouloir aller très vite en besoin. Revenez vers les partenaires pour qu'ensemble nous puissions voir comment préparer de façon sérieuse cette rentrée-là. Ça ne sert à rien de précipiter, de dire non, on va ramener, euh, on va faire la rentrée le 15. Non. Si on estime que le 15, là, les conditions ne peuvent pas être réunies, mais mhm. pourquoi bon sang vouloir coûte que coûte faire une rentrée politique non, l'école doit être au-dessus de, cette politique-là. Parce que l'école, c'est la vie de la nation. Mm. Moi, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse et que l'État, aussi bien l'État, se dise que cette situation est très dramatique et qu'elle ne peut pas être, en tout cas, cette rentrée, la rentrée de cette année 2020-2021 ne peut pas être comme les autres entrées. Donc, moi, j'estime qu'ils doivent arrêter de faire le populisme et de revenir sur terre pour que, en tout cas, tous ensemble, nous puissions réfléchir pour voir comment faire en sorte que la rentrée, même si c'est dans un mois, comment faire en sorte qu'il y ait une rentrée à peu près acceptable pour les enfants du Niger. Vous avez suivi donc euh, les deux ministères en charge euh, de l'éducation, donc euh, le ministère de l'enseignement primaire et celui secondaire. est-ce que vous avez retenu quelques mesures prises donc par ces ministères pour réussir la rentrée prochaine donc de l'année scolaire dans ce contexte d'inondation? Et euh, effectivement, hier, en tout cas, les ministères disaient que déjà, ils ont pris et ils ont planifié, en tout cas, parce que j'appelle ça planification. Parce que malheureusement, chez nous, la planification est correcte, mais la mise en œuvre, c'est elle qui est difficile. En tout cas, ils ont, j'ai cru entendre hier que déjà, ils ont pris des dispositions pour que toutes les classes effondrées puissent être remplacées par des tentes, pour que les élèves, en tout cas, puissent rentrer dans ces classes mais tentes seulement, parce que les tentes aussi doivent être accompagnées d'infrastructures, notamment les tables bancs, notamment les tableaux, en tout cas tout ce qu'il faut pour que la rentrée puisse avoir lieu. Il présage présagent que, en tout cas, d'ici le 15, ils, ont eu à recenser tous les établissements, en tout cas inondés ou les établissements effondrés, et que ces établissements-là seront remplacés par, par, des, classes en, tentes. en tente. Parce qu'ils disent qu'ils ne feront plus de paris et que les partenaires vont les aider à avoir ces tentes-là. Mais ce qu'ils ne doivent pas perdre de vue, c'est comme je l'ai dit, les élèves sont avec leurs parents. Ces tentes-là doivent les suivre. Ce n'est pas qu'on va venir construire des tentes à côté des classes effondrées, non. Ces tentes-là vont suivre les parents qui seront relogés. Est-ce qu'ils ont l'effectif des élèves concernés par ces inondations Parce que c'est ça le gros du problème. La première chose que moi j'ai pensé que le ministère allait faire, au lieu de chercher des tentes, c'est de recenser quels sont les élèves concernés par ces inondations Pas seulement les populations. Quels sont les élèves Quel est le nombre d'élèves concernés par ces inondations C'est à partir de là qu'on doit partir pour savoir, en fonction du nombre d'élèves et par localité, combien de tentes il faut prévoir. Non, ce n'est pas en fonction des populations qu'on va prévoir les tentes, c'est en fonction du nombre d'élèves concernés par les sinistrés. Mais je doute que le ministère ait fait cette situation là Même à Niamey, aujourd'hui, on demande à ces ministères-là dans la commune 5, quels sont les élèves qui doivent être relogés dans des classes Moi, je suis sûr qu'ils ne pourront pas le dire. Or, c'est ce qu'il faut faire pour que et, il y ait congruence entre le nombre de tentes qu'ils vont euh, fabriquer pour les, en tant que classe et, les élèves à reloger. C'est la première des choses qu'il faut faire. Et c'est pourquoi j'ai dit que nous ne pouvons pas nous prononcer sur le nom parce que nous sommes dans cette situation, nous. Parce que c'est nous qui sommes surtout concernés par ça. C'est à nous de, nous, allons très bientôt, en tout cas, donner nos prostates pour que l'État puisse savoir, voilà les enfants, les élèves qu'il faut reloger, voilà les enseignants sinistrés, mhm. qui déjà et vient s'ajouter à, d'autres problèmes que déjà l'année 2019-2020 a, trouvé. Mhm. Ça veut dire que c'est pourquoi je dis que cette rentrée-là, en tout cas, elle sera une rentrée particulièrement difficile. Aussi bien pour nous les enseignants que pour le gouvernement. Elhaj euh, Yakuba Yaye, membre de l'Association nationale des parents d'élèves euh, section Niami. Vous avez sans doute euh, suivi les deux ministères en charge de l'éducation sur la chaîne nationale Télé Sahel par rapport donc aux mesures prises pour une bonne réussite de l'année scolaire 2020-2021. Que pensez-vous donc de ces mesures prises par les autorités Je pense que le problème que nous avons en tout cas, le problème est multiple. Certes, euh, c'est bien de prévoir, de prendre des dispositions d'ici le 15. Comme euh, ils l'ont dit, ils seront en mesure de reloger les sinistrés et de prévoir également des infrastructures scolaires au niveau de ces sites pour que les enfants puissent continuer à aller à l'école. Et revenir encore sur les classes qui ne sont pas eh, endommagées, les entretenir, les équiper pour que la rentrée puisse être effective. Donc, euh, je pense que euh, ils l'ont dit, je souhaite quand même qu'ils arrivent à l'accomplir et que le 15, nos enfants puissent aller à l'école et suivre les cours normalement. Mhm. Avez-vous des inquiétudes concernant cette euh, rentrée au vu donc euh, du contexte actuel Bon, mes inquiétudes, euh, c'est les infrastructures scolaires. Ça, c'est un. Deuxièmement, les sinistrés qui sont dans ces établissements scolaires, pouvoir les reloger sur des sites et avoir également des classes au niveau de ces sites-là pour que les enfants puissent continuer à suivre les cours. C'est ça, nous, nos inquiétudes, en tant que parents d'élèves, parce que ces parents d'élèves-là qui seront relogés, ils iront avec leurs enfants. Les enfants, ces enfants-là, auront besoin d'aller à l'école. Et si des mesures n'ont pas été prises pour qu'il y ait également des, des classes au niveau de ces sites, nous, parents d'élèves, nous serons vraiment lésés. Et notre souhait, c'est qu'au même titre que ces sinistrés seront relogés sur des sites qui aient des infrastructures scolaires et sanitaires, qui aient également euh, des cas de santé sur ces sites-là pour que nos enfants, en tout cas qui seront là-bas, puissent être traités. Oumar Hassan, euh, membre euh, du SNEN, e euh, quelles sont vos inquiétudes concernant donc cette rentrée scolaire au vu du contexte actuel eh, dans tous les cas, il suffit de faire une comparaison. Même en temps normal, les années scolaires où il n'y a mhm. pas d'inondation, même, c'est Les rentrées n'ont jamais eu lieu avant le 15 octobre en réalité. A plus forte raison, cette année. J'ai entendu hier le ministère ancien de l'Éducation. Nous, avons fait les affectations, les... mais un enseignant affecté là ce n'est pas affecter seulement l'enseignant, il faut le mettre dans les conditions aussi pour qu'il puisse rejoindre son poste. Non, quand on m'affecte de, de, à, Dirkou, mais il faut aussi des dispositions utiles pour que je puisse regagner mon poste. Non, ce n'est pas avec la menace. Maintenant, il, on pense que lorsqu'on a sorti des décisions d'affectation, le problème des enseignants est résolu. Non, ce n'est pas ça. Lorsque vous affectez un enseignant aussi, il faut, mettre des il faut prendre des dispositions pour que l'enseignant puisse regagner son poste. Aujourd'hui, nous avons eh, des enseignants contracteurs recrutés en cours d'année passée qui sont à 5 ou 6 mois d'arriéré de pécule. quand il y avait eu l'insuffisance des enseignants, l'enseignement primaire a recruté des enseignants. Aujourd'hui, ces enseignants ne sont pas payés. Comment on peut faire une rentrée scolaire comme ça Ça, c'est un problème aussi que le ministère doit avoir de vue. Les infrastructures d'accueil pour que cette rentrée puisse avoir lieu. Même en temps normal, ces, fournitures et autres ne sont pas mises en place avant le 15. Comment, dans ces conditions-là, on, peut penser que d'ici le 15 octobre, le gouvernement pourra faire face à tous ces problèmes d'inondation et mettre en place aussi ces ventes Ça, c'est un problème sérieux et c'est une inquiétude, en tout cas pour nous, qui sommes euh, censés donner, aller dans ces classes-là. Il y a déjà les conditions de travail des enseignants qui sont là. Aujourd'hui, je vous assure, les indemnités des enseignants sont. Oh, il suffit qu'on regarde dans le mois quel est le manque à gagner. Pour avoir ce manque gagné, on regarde sur les salaires des enseignants. On coupe indemnité de direction, on coupe indemnité de créer ainsi de suite. Sans préavis. Mhm. Mais comment voulez-vous qu'une rentrée puisse avoir lieu dans ces conditions pareilles Le gouvernement sait. Nous avons une plateforme revendicative qui est déjà là déposée, à laquelle le gouvernement n'a daigné nous appeler une seule fois. Est-ce que dans ces conditions, on peut penser que la rentrée scolaire, sans les inondations, comment elle peut être effective dans ces conditions Non. La rentrée scolaire, ce n'est pas seulement les classes ou les bâches qu'on va faire, c'est aussi les enseignants qui vont venir rentrer dedans. Il faut que ces enseignants-là aient quand même le minimum de conditions. Tout le monde aujourd'hui au Niger sait que avec ces, problèmes d'inondation, ils ont sérieusement impacté les, les, les infrastructures d'accueil de ces élèves-là. Mais pourquoi ne pas rester et dire la réalité Appeler tous les partenaires. Vous voyez, voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Comment le résoudre C'est comme ça qu'il faut procéder. L'école, c'est une affaire de tous. Donc, lorsque on veut que cette rentrée soit réelle, réaliste et réalisable, moi, j'estime que le gouvernement doit faire appel à ses partenaires et faire une planification réaliste il faut faire une planification réaliste. Ça ne sert à rien de dire que la rentrée va se venir le 15 et que le 15, on ne puisse avoir même les, un tiers des classes pour faire rentrer. Ça Ça ne sert à rien. Autant reporter ça en novembre et faire une rentrée normale que de vouloir faire une rentrée maquillée. Donc nous, nous pensons que sur la rentrée 2020-2021, il y a des sérieux problèmes. Et ce qui peuvent en tout cas même hypothéquer cette rentrée scolaire, en tout cas à la date prévue par le gouvernement. Certaines populations sinistrées des inondations s'inquiètent pour l'avenir scolaire de leurs enfants. Je propose d'écouter deux parents d'élèves qui ont accepté d'en parler. On les écoute. Notre problème là, puisqu'on ah, savait que aussi un peu de temps, il y a les cours là qui Donc, comment on peut faire avec nos enfants, même si on nous a cherché un endroit c'est loin ou bien c'est pas on ne savait pas d'abord, puisqu'on n'a rien dénoncé. Donc, euh, ces inondations ont un impact sur la rentrée des enfants. Oui, la rentrée des enfants, nous-mêmes, on souhaite ça. Que la rentrée des enfants, puisqu'on veut que notre enfant <laughs> soit euh, d'abord. Nos ben, enfants étudient, mais là-bas, il n'y a pas de salle de cours comment nos enfants puissent étudier dans ces conditions. Les autorités ont qu'à revoir cette situation car l'éducation est la clé de tout développement. Vous avez donc euh, écouté euh, deux parents d'élèves euh, qui ont accepté de parler sur cette situation des inondations avec euh, l'approche de la rentrée scolaire. Et quelles sont vos réactions Monsieur Oumarou Hassan, euh, membre du SNEL. Donc, merci. Donc, c'est mm. vraiment le parent élève, c'est comme je l'ai dit. Hein. Mm-hmm. Aujourd'hui, même les ministères enseignants, ils ne connaissent pas exactement où est-ce que ces populations-là vont être relogées. Elles ne savent pas sur chaque site de relogement combien de populations seront là-bas. Ils ne le savent pas. Les populations qui seront relogées, vont emporter avec eux combien d'élèves Tous ces sens ils ne les connaissent pas. Et c'est de ça que parle le parent d'élève. Parce que les classes qui sont là, là, dans tous les cas, elles ne peuvent pas être eh, utilisables. Même après, le, même, même après novembre, ces classes-là ne peuvent pas être utilisables. Ce n'est pas possible. C'est ça il dit. Il ne sait pas encore. Ils vont, on va les amener loin. Ils vont loin, c'est ce qu'il a dit. Lorsque le papa est déplacé, l'enfant le suit. Donc ça, c'est un problème réel. C'est un problème réel que en tout cas, les ministères en charge de l'éducation doivent prendre en compte. Au lieu de dire on va programmer. D'accord, vous avez programmé des bâches, mais vous allez amener ces bâches-là où Il faut bien qu'on sache, on a programmé 1000 bâches, mais les 1000 bâches-là, c'est pour combien d'élèves Et ça, on le, saura que lorsqu'on aura fait la situation des sinistrés à l'horloger, chacun avec ses enfants et le niveau de ses enfants. C'est en fait ces statistiques-là qu'il faut chercher. C'est seulement en ce temps-là que nous, nous allons croire au gouvernement quand il va nous dire que il a tant de tentes pour loger tant d'élèves pour que la, rentrée puisse avoir lieu. Malheureusement, aujourd'hui, le gouvernement n'est pas capable de nous dire sur le site du plateau là, il va reloger telle population avec tel nombre d'élèves qui nécessite tel nombre de classes et de niveaux. Parce qu'il y a aussi les niveaux. Il y a, du CI jusqu'à jusqu'en terminal qu'il faut reloger. Est-ce que l'État a la situation de ces élèves-là par rapport aux populations à déplacer Non, il n'a pas cette situation. Est-ce que euh, d'ici 15 jours, il peut avoir cette situation-là moi, je dis que non. C'est pourquoi je vous dis que le parent, ce qu'il a dit, c'est réel. Il sera extrêmement difficile aujourd'hui que l'État dise qu'il est prêt pour faire la rentrée le 15. Moi, je suis sûr qu'il reste beaucoup de choses à faire. Et il faut s'atteler d'abord à ces choses-là avant de vouloir fixer une rentrée. Il faut que l'État s'assure que les, statistiques qu'il a en termes de relogement des populations et des élèves, c'est des statistiques réelles. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi, en dehors de ces inondations, dans les régions du Tilabéry, il y a l'inondation qui est là, mais il y a aussi l'insécurité qui a également fait déplacer beaucoup d'élèves qu'il faille également reloger. Donc c'est un problème sérieux. Un problème sérieux qu'on ne peut pas résoudre en deux semaines. Moi, je suis sûr que eh, ce n'est pas possible de faire la rentrée dans certaines régions, même en décembre, ce n'est pas possible. Donc il faut que, eh, eh, en tout cas, qu'on se ravise pour voir comment faire la rentrée pour le maximum d'élèves. Parce que c'est ce que moi je pense. Pour le maximum d'élèves avec un minimum de conditions. C'est à cela qu'il faut s'atteler. Au lieu de voir dire non, on va faire la rentrée le 15 parce que nous avons des cahiers pour faire le premier trimestre. Mais avec les cahiers, il faut que l'élève trouve où aller. Il faut que l'enseignant trouve où il va s'arrêter son tableau pour faire son cours. Or, tout cela, moi, à mon avis, c'est des questions essentielles pour qu'on puisse faire une rentrée scolaire. Et là j'ai Yacouba Yaye, parents d'élèves, euh, quelle est donc votre réaction par rapport donc à ce que viennent de dire ces parents d'élèves sinistrés Ces parents d'élèves sinistrés viennent de confirmer ce que nous avons dit auparavant. Ils ne savent pas là où ils seront relogés et même si ils arrivent à situer là où ils vont, quel sera l'avenir des enfants Est-ce que ces enfants-là pourront suivre encore l'école. Parce que c'est bien de reloger les, les parents, c'est vrai. Mais les enfants, c'est encore un autre problème. Il faut leur trouver des salles de classe. Et présentement, il est difficile de faire des statistiques pour ne pas dire qu'il est même impossible de savoir quels sont les enfants qui seront concernés par ces euh, redéploiements sur les sites afin de pouvoir prévoir des classes. Parce que, euh, comme l'a dit euh, le camarade, vous avez des, des enfants du CI à la terminale, par exemple, chez un chef de famille. Ce chef de famille a été déporté à 4-5 km euh, des établissements scolaires, comment, quel sera le sort de ces enfants Qu'est-ce que l'État a prévu en pareille situation Est-ce qu'il y aura également sur ces sites-là plusieurs établissements scolaires, du primaire au secondaire, pour que nos enfants puissent continuer à fréquenter régulièrement euh, ces écoles Tout ça, c'est des points d'interrogation. Oumor Hassan, membre du SNEN, e à Niamey, un site et d'ores est euh, déjà aménagé pour accueillir les sinistrés afin qu'ils puissent libérer les salles de classe d'ici la rentrée. Ce site, situé dans le 5e arrondissement communal de Niamey, sur la route de Saï, est loin de la ville et ne dispose pas d'école en son sein. À votre connaissance, euh, quelles sont les mesures prises par les autorités pour ces élèves et eh, merci. Donc, euh, je crois que ça, ça, revient, ça revient vraiment ce que nous, notre inquiétude au niveau de SNEN. Parce que nous, euh, en tant qu'enseignants, ceux qui nous inquiétaient, hein, on s'est juste dit que non, on pense que il faut libérer en déplaçant les populations pour les amener hors de la ville de Niamey, on a libéré les classes. Mais quand on libère les classes, là c'est comme je l'ai dit, qui doit rentrer dedans Mais ce sont les élèves. Et ces élèves-là, c'est leurs parents qu'on a amenés à 5 km. Est-ce que vous pensez qu'un petit enfant de, du CI peut parcourir 6, 7 km pour revenir en ville, pour, faire, pour prendre cours Non. C'est ce de ça réellement que je parle. Parce que dans leur intervention hier, je n'ai entendu nulle part où et les ministères en charge de l'éducation ont dit voilà, nous avons prévu un site pour reloger en tout cas les populations sur la route de Saï à 5 ou 6 km et que sur ce site-là, nous, avons, nous savons déjà que il y a tel nombre d'élèves de l'enseignement primaire, il y a tel nombre d'élèves de l'enseignement secondaire, il y a tel nombre d'élèves de l'enseignement professionnel, et que, étant donné la distance, voilà les dispositions que nous avons prises. Parce que nous savons qu'il y a 100 élèves euh, au CI, il y a 200 élèves au CPE et qu'on a prévu de faire autant de tentes sur le site de relogement pour que ces élèves puissent prendre cours. C'est de ça que je parle réellement. Ça là, c'est des, choses que, auxquelles on n'a pas encore songé. On voit juste la libération des classes. Mais ces classes libérées là, il faut bien que ces occupants puissent être sur place. Les occupants là doivent suivre leurs parents et les classes là, même si on les libère, ce sera inutile tant que ces enfants-là sont partis à 7 ou 8 km de la ville de Niamey. Il ne peut pas les occuper. Il faudra que on puisse suivre ces, parents-là, ces populations religieuses-là, avec les mêmes infrastructures d'accueil scolaire, c'est-à-dire des tentes en termes de classe, parce que c'est ce que, c'est ce que le gouvernement aujourd'hui. Il pense qu'il peut avoir suffisamment de tentes pour faire des classes, ce qui d'ailleurs m'inquiète, parce que moi je sais que dans nos classes de CI ou de CP, ou même de collège, tu vas trouver 70-80 élèves je ne vois pas l'attente avec cette situation de Covid-là. Quelle est l'attente qui va prendre 100 élèves Il n'y en a pas. Et lorsqu'il faut diviser, on n'a pas suffisamment d'enseignants. Particulièrement au secondaire, quand vous regardez aujourd'hui, depuis 2014, on n'a recruté aucun enseignant contractuel. Regardez le flux d'élèves de l'enseignement primaire qui arrive chaque année au secondaire. Et qu'on dise que depuis 5 ans, depuis 6 ans, on n'a recruté aucun enseignant en plus. Est-ce que dans les conditions actuelles, nous avons les moyens de faire une rentrée pour nos élèves. Non, on n'a pas les moyens. Eh bien, on explique ça à tout le monde. Tout le monde comprend. Il faut que nous prenions pour que lorsqu'on va démarrer, ce sera pour de bon. Mais ça ne sert à rien de dire on va démarrer le 15 alors que le démarrage ne se fera qu'en décembre. Ça ne sert à rien. Autant bien préparer pour aller en décembre que de faire en tout cas du jonglage. Donc euh, il faut vraiment qu'on soit réaliste. Le Niger, à l'instar du monde entier, fait face à la pandémie de la maladie à coronavirus qui a négativement impacté le secteur éducatif. Avec cette situation d'inondation, à quoi faut-il s'attendre ah, Parce que vous savez, même les mesures barrières, en tout cas, pour lutter contre cette pandémie-là, en tout cas, cette promiscuité des populations aggrave cette situation. Hein. Mm-hmm. Regardez, allez-y voir dans les établissements comment les populations sont logées. Dieu merci, en tout cas, Dieu avec le Niger. Ça là, si c'était dans d'autres pays, mais ça là être l'hécatombe. Regardez des populations, 100 personnes dans une petite classe. Mais comment on peut parler de, prévention de la COVID-19 Ce n'est pas possible. Quand on va vouloir reloger les élèves dans des tentes, regardez les conditions dans lesquelles ils vont venir. Non, alors qu'on dit que les enfants doivent être, il y a la distanciation sociale, il y a quoi, est-ce que ça peut être respecté aujourd'hui Non. Est-ce que l'État peut pourvoir, en tout cas, les bavettes et les dispositions pour que la contamination soit amoindrie Non, parce que l'État dit bien que, et nous sommes sûrs que le virus continue à circuler. Mhm. Ça veut dire que c'est aussi un problème à l'école. Que nous, les enseignants, en tout cas, nous sentons que nous ne sommes plus en sécurité. Parce que c'est nous qui allons être avec ces élèves-là. Et sur le plan éducatif, puisque l'année commence déjà, les élèves commencent déjà les cours avec euh, un retard. Mais euh, le grand retard, parce que euh, pour qu'on puisse... Euh, vous savez, l'année, c'est une continuité en réalité. Mhm. Les années, là, c'est vraiment une gestion holistique. Celui qui fait mal le, CI mhm. ne peut pas faire un bon CP. Or, les élèves de CI de l'année dernière n'ont pas fait CI. Mhm. Ceux de CP n'ont pas fait CP, ainsi de suite. Mais comment moi, je n'ai pas fait la quatrième, on veut que je fasse une bonne troisième Ce n'est pas possible. Moi, je n'ai pas fait la première, on veut que je fasse une bonne terminale. Ce n'est pas possible. Non. Parce que normalement, on doit réviser, on doit réviser l'année dernière avant de commencer ces cours-là. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui dans ce mhm. contexte actuel Ça veut dire que eh, c'est des années, en tout cas sacrifiées. L'année 2019 est foutue. Si on prend garde la main 2020-2021, on, paiera on, payera les grands frais. Avez-vous donc échangé euh, sur cette question avec les autorités Bon, vous savez, il faut qu'on nous appelle. Les autorités estiment que souvent, ils peuvent résoudre tout seuls les problèmes de l'école. Non, mhm. l'école, là, ça n'appartient à personne, ça appartient à tout le monde. Tu ne peux pas faire le bonheur de quelqu'un sans lui. on ne peut pas faire la bonne gestion de l'école sans nous, les enseignants qui, qui, faisons vivre ces établissements-là. Vous ne pouvez pas faire ça sans les élèves qui sont dans l'établissement. Non. Vous ne pouvez pas rester au bureau et savoir ce qui se passe dans les... Non, c'est celui qui est dans la classe, là. C'est lui qui connaît le, problème réel. Mhm c'est lui qui peut vous donner la solution à ce problème. Parce que pour avoir une solution à un problème, il faut le vivre. Hein. Il faut vivre ce problème pour savoir comment pouvoir résorber ce problème. Et c'est pourquoi nous appelons encore une fois au gouvernement qu'il revienne et qu'il fasse appel les partenaires pour qu'on puisse ensemble gérer cette rentrée scolaire qui, en tout cas cette année, est beaucoup plus difficile. <laughs> Quelles autres mesures à prendre pour garantir une reprise normale des cours et une année académique stable pour tous les élèves sans exception Donc moi, en tout cas, pour une bonne rentrée, moi j'estime que le gouvernement doit, dans la mesure du possible, revoir ses statistiques pour savoir quels sont le nombre d'élèves qui sont sinistrés. Mhm. Quels sont, parmi ces élèves-là, quels sont les élèves qui vont être relogés avec leurs parents quel est le nombre d'infrastructures qu'il leur faut pour que ces élèves puissent commencer les cours. Ça, c'est une première des choses qu'il faut faire dans toutes les zones de, de Je sais que je vais déplacer 100 personnes, avec ces 100 personnes, je vais déplacer tel nombre d'élèves et par niveau, combien de classes il me faut, même si c'est des tentes. Donc, il faut d'abord commencer par ça. Deuxièmement, il faut que les enseignants qu'on dit, j'ai affecté les enseignants, quand tu affectes un enseignant, il faut les mettre les conditions pour rejoindre son poste. Il faut que ces enseignants-là soient payés. Aujourd'hui, les contracteurs représentent plus de 70% de, l'effectif des enseignants. Si ces contracteurs-là sont payés le 15 du mois prochain, mais comment ils peuvent assurer normalement leur, enseignement Ce n'est pas possible. Il faut que ces enseignants aient des conditions de vie normales. On ne peut pas enseigner, tu dans une classe, tous les jours c'est des menaces. On pense qu'on peut gérer l'enseignant avec des menaces. Non. On ne peut pas gérer un enseignant avec des... Tout le temps, c'est les menaces. Tout le temps, c'est les brimades. Tout le temps, c'est montrer que l'enseignant aujourd'hui, non, l'enseignant, le niveau est bas. Mais quand le niveau est bas, là, ça veut dire que c'est sous la chaîne. Hein. L'enseignant, là, il est sorti des mêmes écoles que celui qui dit que le niveau des enseignants est bas. Lui, son niveau est comment Donc, il faut respecter, il faut redorer le blason de l'enseignant. il faut restaurer la confiance entre l'enseignant et l'administration scolaire. C'est seulement en ce temps qu'on peut en tout cas avoir une, rentrée scolaire saine. Elhaj Yakuba Eyaye, quelle autre mesure à prendre pour garantir une reprise normale des cours Donc, euh, la reprise normale des cours, euh, nous avons maintenant un programme qui a été en fait annoncé par le gouvernement, c'est la date du 15 octobre. Et nous, en tant que parents d'élèves, notre souhait, notre souhait le plus ardent, c'est qu'au 15 octobre, que les infrastructures soient, en tout cas, pour accueillir les enfants et pour que les cours puissent commencer. Un, que les enseignants soient également mis dans leur droit, en fait ceux qui n'ont pas eu de pécule, qu'ils aient leur pécule, pour qu'ils puissent, parce que euh, au, risque de me, de me répéter, même s'il y a rentrée, s'il n'y a pas d'enseignants, ça ne va pas. Donc, que ces enseignants-là soient payés d'ici là pour qu'ils puissent euh, rejoindre les établissements scolaires et faire une rentrée normale. C'est ça notre souhait en tant que parents d'élèves. Partout là où nos enfants iront, qu'on trouve des infrastructures pour pouvoir continuer en fait les études. C'est ça notre souhait en tant que parents d'élèves. Nous sommes au terme euh, de ce forum sur l'impact des inondations sur la rentrée scolaire. Vous avez suivi l'intervention des acteurs euh, de l'éducation relativement au thème du jour. La rentrée scolaire est prévue pour le 15 octobre 2020, euh, mais des inquiétudes planent autour de cette rentrée à la date prévue. Les inquiétudes soulevées par le syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, et celui des parents d'élèves. Nous avons bien voulu donc la participation du ministère en charge de l'éducation primaire et celui de l'enseignement secondaire. Le studio Kalangu leur a envoyé des correspondances, mais sans suite. Nous étions donc en compagnie de M. Oumoru Hassan, membre du syndicat national des enseignants du Niger et El Yakuba Yaye, membre de l'Association nationale des parents d'élèves de Niamey. Merci donc à nos invités. La présentation était assurée par Fatih Zakari, la technique Halidou Harouna.